le forum Chers auditeurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute du studio Kalangu à la présentation Reilat Soumana. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation du gaz domestique, règles de sécurité et enjeux pour l'environnement. Beaucoup de ménages nigériens utilisent du gaz comme source d'énergie pour la cuisine, une alternative qui remplace le bois de chauffe et lutter contre le déboisement. Comment se fait la distribution du gaz euh, au Niger Le gaz domestique est-il accessible à tous Utiliser du gaz est-il bénéfique comparativement au bois Que pensent les consommateurs euh, du prix du gaz Quels sont les dangers qui pourraient être liés à son utilisation quel est l'avantage de l'utilisation du gaz pour l'environnement Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, je suis en compagnie dans ce studio de Monsieur Mamanouri, président de l'Association des défenses des droits des consommateurs ADDC Odata. Bonsoir. Bonsoir. Colonel euh, Garba Adamou, chef de division aménagement forestier à la direction de gestion durable des terres. Bonsoir. Et le capitaine Jibril Mahamadou, commandant du Centre d'instruction nationale sapeur-pompier qui représente la protection civile que nous aurons en interview dans ce forum. Monsieur, dames, bonsoir. Vous êtes à l'écoute du forum de studio Kalangou à la présentation Raylet Soumana. Depuis 2011, avec la création de la société de raffinerie de Zender Soraz, le Niger a commencé à produire du pétrole qui est la matière première du gaz domestique ou gaz butane mais bien avant cela, les populations utilisaient le gaz issu de l'importation. Donc, M. Euh, Monsieur Mamanouri, je vais commencer par vous. Euh, merci beaucoup pour nous avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet si important. Colonel Garba, à vous. Euh, <coughs> merci, madame. Mon nom, c'est Colonel Garba Adam Issa. Je suis le chef de division aménagement forestier à la direction générale des eaux et forêts. Donc, euh, merci Madame vraiment pour euh, cette opportunité que vous donnez vraiment à, notre ministère, qui est le ministère en charge de l'environnement, de venir parler pour un peu expliquer vraiment à la population les différents enjeux autour donc euh, de la consommation du bois et du chauffe et au niveau donc des ménages, que ce soit des ménages urbains ou bien des ménages ruraux. Merci. D'accord. Donc, euh, Monsieur Mamanouri, je me retourne vers vous. Est-ce que depuis que le Niger, à travers la Soraz, produit du gaz domestique, arrive-t-elle à produire assez de gaz pour la population Alors, euh, je crois que c'est une belle question. Euh, produire suffisamment du gaz, non. Euh, parce que vous vous souviendrez que quand la SORAS avait commencé ses activités, euh, initialement, il n'y avait que l'essence et le gasoil. Et progressivement, donc, euh, la section gaz a été ouverte. Sinon, initialement, le gaz servait uniquement à produire de l'énergie pour euh, le fonctionnement de la SORAS elle-même. Bien entendu, avant, les importations se faisaient à partir du port de Cotonou, à travers Orix qui est une société internationale basée au port de Cotonou, et aussi une bonne partie à partir du port de Lomé et du port d'Abidjan. Chemin faisant, à travers la production au Niger, désormais, euh, nous consommons du gaz national. Euh, suffisant, non. Pourquoi Parce que tout simplement, au démarrage, ce n'est pas toutes les sociétés de gaz qui ont un dispositif pour avoir un grand stockage. La deuxième chose, ce n'est pas toutes les sociétés qui ont la capacité d'importer avec leur propre euh, euh, citerne, il faut souvent louer. Et en même temps, la clientèle augmentait régulièrement. Donc euh, ces facteurs réunis ont fait en sorte que le plus souvent, même en temps de production au tout début, il y avait des problèmes d'approvisionnement de gaz, surtout au niveau des distributeurs et au niveau de ces sociétés de gaz. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, à chaque fois que la SORAS va faire de l'entretien, il y a de la gymnastique qui est faite. C'est quoi ces gymnastiques Alors, ces gymnastiques, c'est quoi C'est que quand l'industrie va s'arrêter pour des questions d'entretien, c'est généralement ça prend presque un mois. Et là, il faut avoir tous les dispositifs pour le stockage du gaz. Or, je me rappelle, la première euh, opération qui a été lancée, il a fallu louer des citernes du Nigeria, euh, environ 70 citernes, pour stocker du gaz et permettre l'approvisionnement des grands centres urbains. Est-ce que c'est ça qui cause les pénuries parfois Alors, généralement, c'est l'entretien qui cause les pénuries parce que nos sociétés n'ont pas assez de capacités de stockage. Elle-même, la Sonidep, qui, euh, qui est l'intermédiaire commercial de ces sociétés de gaz, n'a pas un dispositif assez important pour, en tout cas, stocker du gaz en temps mhm. Donc, c'est ça qui fait que, en, tout cas, euh, on, a, on constate des pénuries dans des temps bien précis. Mais en dehors de ça, ce qu'il faut noter aussi, euh, jusqu'à un certain moment, on a arrêter l'importation. Sauf cette année, à ma connaissance, quand la production a été un peu arrêtée, il y a des sociétés qui ont importé du Bénin. Et là, le temps de transport et le temps de, aussi d'approvisionnement a fait en sorte que, au moment de cet arrêt de l'usine de la Soraz, a fait en sorte que les sociétés ne s'approvisionnent pas régulièrement et c'est ça qui a causé les grandes pénuries qu'on a constatées malheureusement cette année. Nous allons y revenir vers vous, le temps de donner la parole à Colonel Garba qui est du ministère de l'Environnement. Donc, euh, Colonel Garba, dans un pays comme le Niger, quelle est l'importance de l'utilisation du gaz domestique Au Niger, le bois de feu vraiment constitue la principale source d'énergie pour vraiment euh, plus de 90% des ménages. Et malheureusement, en matière donc euh, d'offres et de demandes, vraiment il y a un déséquilibre qui est en train de se créer parce que nos formations forestières, qui sont des formations du type euh, n'arrivent pas à offrir la quantité du bois de chauffe pour donc couvrir euh, les, besoins des ménages nigériens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Au lieu de respecter le diamètre de coupe donc, de certaines espèces pour vraiment permettre la régénération donc, euh, de ces végétaux. C'est combien le diamètre de coupe Le diamètre de coupe est évalué à 6 cm, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 6 cm, normalement, on ne doit pas couper pour permettre vraiment à, l'espèce de régénérer. Parce que, comme je le disais, la plupart de nos espèces, là, c'est des, des combretacées donc euh, des espèces euh, qui se développent généralement sur les plateaux, donc euh, qui ont une croissance très lente. Au bout d'un certain nombre d'années, même si on les coupe, et si on revient, on arrive au moins à avoir une certaine quantité de bois à exploiter. Avez-vous le nom en Hausa ou en Zarma Oui, le, Combretacées, généralement, vous avez le Sabara en Hausa, le Geza, vous avez le Kandili. Donc, généralement, c'est ce genre d'espèces-là qui sont donc euh, coupés et puis vraiment et qui sont transportés pour donc euh, être donc acheminés au niveau des gros centres urbains. Donc euh, je reviens un peu à, votre question mhm. pour vous dire que l'utilisation du gaz vraiment moi je pense que c'est la meilleure alternative vraiment pour pouvoir donc sauver ce qu'on a de disponible comme ressources forestières dans notre pays. Mais malheureusement, comme vous le savez, l'utilisation du gaz au Niger, c'est vraiment une opération qui n'a pas duré parce que si vous prenez à partir de 2011, la consommation totale du gaz et à l'échelle nationale tournait autour de 3300 tonnes par an. De 2011 à quelle de 2011 à, de 2000, à partir de 2011, c'était 3000 tonnes. Mais maintenant, on est, on est environ à 23 000 tonnes en 2016. Donc, vous voyez, c'est vraiment une progression plus ou moins intéressante. Si vraiment ça continue dans ce sens, moi, je pense que ça va contribuer de manière significative à la protection de nos couverts euh, forestiers. Parce que l'important, c'est pour nous, c'est que il faut que les gens euh, comprennent l'importance du gaz dans la protection des ressources forestières. Mais qu'est-ce que vous, vous faites euh, dans ce sens-là dans ce sens, donc, euh, le ministère de l'Environnement, en rapport avec euh, les autres ministères et sectoriels, donc il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de l'Énergie et du Pétrole. Donc, chaque fois, ces trois ministères-là se retrouvent maintenant pour élaborer un certain nombre de textes, donc un certain nombre de dispositifs qui permettent donc à la langue euh, de voir comment faire une offensive pour que vraiment la population nigérienne ait accès au gaz. Un certain nombre de recommandations ont été formulées et transmises donc au plus haut niveau pour que vraiment des dispositions euh, idoines soient prises pour que le gaz soit utilisé au niveau de tous les ménages nigériens, si possible dans un délai très court. D'accord. Donc, euh, Maman vous représentez l'association des consommateurs. Euh, quel est votre avis par rapport au prix pratiqué concernant les bouteilles de gaz je vais un peu revenir sur ce que l'a dit, mhm. notamment par rapport euh, aux différents comités. Donc, euh, et ces comités-là, euh, tous, leur objectif, c'est pour permettre non seulement l'accessibilité des consommateurs au niveau du kit, mais aussi au niveau, en tout cas, du gaz. Parce que l'un des problèmes les plus cruciaux, c'est l'accessibilité au kit. Comment faire pour faire en sorte que les Nigériens accèdent, particulièrement les fonctionnaires Et je crois qu'il y avait un projet qui a été initié pour qu'il y ait la vente promotionnelle des kits. Et je crois que ça a un peu commencé. Il y avait des opérations de promotion de vente avec les sociétés Sonichi, Ganigaz et Nigergaz. Maintenant, il faut rappeler que le prix des hydrocarbures sont fixés par l'État, par arrêté du ministre du Commerce, donc y compris le gaz. Le prix n'a pas changé, mais ce qu'on a constaté sur le marché, la spéculation y est. Quand la bouteille normalement de gaz de 6 kg doit être autour de 1800, et la bouteille de 6 kg, de 12 kg doit être autour de 3600. Et quand vous regardez actuellement sur le terrain, ce n'est pas ça. Il y en a qui vont jusqu'à 2000, 2500 euh, pour les 3 kilos, mhm. jusqu'à 5000 pour les 12 kilos. Et ça va au-delà, surtout en période de pénurie, parce qu'il y en a des gens qui ont payé jusqu'à 10 000 francs euh, la bouteille de 12 kilos et jusqu'à 5 000 francs la bouteille de 6 kilos. Alors, maintenant, c'est qu'il faut peut-être euh, dire, pourquoi euh, il y, a, non-respect de ces prix-là euh, Comme il l'a si bien dit, mhm. il y a un comité qui a été installé au niveau du ministère du Commerce pour apprécier non seulement le coût du gaz, mais aussi faire en sorte que ce gaz-là soit disponible à tout moment. Selon vous, que faudrait-il faire pour euh, solutionner cette disparité des prix par endroit Alors, euh, peut-être euh, ce qu'il faudrait, il y a beaucoup d'intermédiaires. La SORAS a un prix session qu'elle vend, qu'elle vend en hein, particulièrement à la SONIDEP. La SONIDEP vend aux sociétés de gaz. La société de gaz vend en tout cas aux grossistes, demi-grossistes qui vendent aux consommateurs. Donc quand vous regardez, et chacun veut tirer son impègle de jeu. Alors, jusqu'à un certain moment, nous sommes dit, mais la Soraz, c'est une société d'une manière ou autre nigérienne, même s'il y a un partenaire international qui est là. Pourquoi faire en sorte qu'il y ait un intermédiaire national alors qu'il y a les sociétés de gaz qui peuvent aller directement acheter en précession Ça n'a pas de sens puisque si on veut que réellement le gaz soit accessible à la population, soit disponible, à la population, il faut créer les conditions d'un prix accessible aux consommateurs en tenant compte de la réalité socio-économique de notre population, de la réalité de la poche du consommateur. Si on doit faire une étude comparative par rapport au prix du gaz, euh, c'est vrai, on est un pays producteur, mhm. mais il y en a d'autres pays producteurs tels que la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais quand on fait une étude comparative, on voit nettement le prix du gaz 6 kg, 12 kg est moins cher chez nous que dans les autres pays. Mais seulement, comparaison n'est pas raison. Parce qu'il y a la question aussi du PIB. Il y a la question, en tout cas, de la capacité d'achat de la population. Donc, Peut-être c'est cette remarque-là que je voulais faire. Bon, merci, M. Nouri, M. Colonel Garba, vous êtes euh, du ministère de l'Environnement. Euh, depuis que les populations nigériennes euh, ont commencé à utiliser le gaz, quelle comparaison faites-vous de, la coupe du bois Est-ce que ça a diminué ou pas encore Donc, merci. donc, par rapport maintenant à l'impact de l'utilisation du gaz sur la protection des ressources forestières. Moi, je pense que par rapport aux différentes études qui ont été donc réalisées, nous avons constaté vraiment qu'il y a une nette amélioration en termes donc euh, de consommation de bois. Pour vous donner donc euh, une idée par rapport à, l'importance même de l'utilisation de ce gaz-là et sur nos ressources. Et, par exemple, si vous utilisez un kilo de gaz dans votre ménage, vous contribuez à protéger 10 kg de bois de feu. 10 kg 10 kilos de bois de feu. Le gap est très important. Donc, euh, avec euh, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, donc 3 euh, 3000 tonnes en, en, 2011, maintenant on est à 23 000 tonnes. Donc, 23 000 tonnes, si vous faites le ratio, vous allez voir ce qu'en termes de d'économie en termes donc euh, de protection des ressources euh, forestières, c'est que ça donne, c'est que c'est vraiment important. Ça nous a permis au moins d'économiser en termes donc euh, d'espace et, et, des ressources au niveau surtout des grands centres urbains. Parce que les dernières études qui ont été réalisées nous ont démontré que le taux de pénétration du gaz, ça c'est même une étude récente qui a été réalisé en 2016, mhm. les taux de pénétration de gaz tournent autour de 10% au Niger. 10%. 10%, mais avec une grande disparité parce que les 10%, c'est la moyenne nationale. Mhm. En milieu rural, c'est à peu près 2%. 2% maintenant, en milieu urbain, ça tourne autour de 20%. Donc, vous voyez, il y a une grande disparité. Donc, euh, si vous prenez la bouteille de 6 kilos, ça vous fait 1800 mhm. le mois. 1800, je crois, pour une famille moyenne, vraiment, ça peut valablement vous couvrir la, le mois. Donc, on peut dire que c'est avantageux par rapport à C'est avantageux par, rapport au, bois. Par rapport au bois, parce que le prix moyen du kilo de bois, c'est à peu près 56 francs. Si on prend en termes de consommation, parce que la consommation moyenne donc d'un individu par jour est de 0,78 kg. Donc, euh, si nous prenons donc, euh, ces deux données-là, par mois, ça fait à peu près 1300 francs par personne en termes donc euh, de bois de feu pour satisfaire donc les besoins donc euh, de l'individu. Donc vous voyez, vous avez une famille de 10 personnes, vous faites le, compte, ça tourne autour de 15 000, 16 000 francs de bois par mois. Or, si c'était par exemple le, le, gaz, peut-être euh, avec peut-être la bouteille de 12 kilos, peut-être ça va peut-être vous permettre au moins de, couvrir les 20 jours donc, du mois. Donc vraiment, moi je pense que c'est nettement mm. avantageux sur le plan coût par rapport donc à l'aspect culinaire. Merci. Merci à vous, colonel Garba. Maman Nouri, on constate que certaines bouteilles de gaz sont vieillissantes euh, et qu'elles fuient. Euh, qu'est-ce que vous faites euh, par rapport à cette situation Alors, je crois que même avant-hier, j'étais victime. Il hein. a que deux jours de cela, <laughs> j'étais victime. J'ai pris ma petite bouteille de 6 kilos arrivé à la, maison, ça, faisait la fuite. On m'a alerté. J'ai ramené. Alors, ce qu'on fait le plus souvent, c'est que c'est comme si vous partez, vous payez un produit, il y a des problèmes, vous revenez vers celui qui vous a vendu. Soit il vous change, soit il vous remet votre argent. Alors, ça, ça respecte un des principes fondamentaux de la loi sur la protection des consommateurs, le droit au choix et le droit à la réparation du temps. Donc la réparation ici, dans le cas d'espèce, pour les bouteilles qui font la fuite, c'est carrément de changer. C'est des produits à risque dès lors que ça fuit, Vous mieux très rapidement retourner euh, auprès de détaillant, lui peut-être connaît les petites techniques pour arrêter ça ou il a la possibilité de ramener au niveau de la société pour que ça soit changé rapidement ou pour que ça soit vidé rapidement. Mm-hmm. Donc euh, là, euh, c'est surtout des actions d'information, de sensibilisation que nous faisons, mais aussi des actions de plaidoyer au niveau des sociétés de gaz. Mais tout ce que je connais aussi, l'un des plus gros problèmes, en tout cas des sociétés de gaz, c'est aussi ces bouteilles. C'est-à-dire que le temps d'amortissement de ces bouteilles est tellement rapide que le plus souvent, ils ont des problèmes d'approvisionnement, ils ont des problèmes particulièrement de changement. Mm Parce qu'une bouteille qui est foutue, la changer, ce n'est pas tout de suite souvent, ils ont des grands stocks de bouteilles, en tout cas, qui sont, qui sont là. J'ai vu ça de mes propres yeux, puisque souvent on fait des visites. Mm-hmm. Là, c'est vraiment un casse-tête. Comment ça va être remédié C'est une grande question, je ne peux pas la répondre à leur place. Voilà. Donc, euh, colonel euh, Garba, euh, avant la vulgarisation du gaz domestique, à combien peut-on estimer la quantité de bois consommée par an Et La consommation du gaz contribue de manière significative à diminuer la pression sur nos ressources forestières. Donc, par rapport à ça, il faut voir ça en termes de consommation du bois au niveau donc de chaque localité. Je l'ai dit donc, le taux de pénétration du, gaz est à moins de 10% sur le plan national. Donc 10% par rapport à ce que les gens sont en train d'exploiter, si on fait vraiment un calcul très rapide, ça nous permet donc d'épargner une superficie importante des ressources forestières. Maintenant, ce qu'il faut faire, et puis maintenant peut-être ce qu'il faut envisager, c'est de trouver donc euh, des formules et puis des moyens pour que ce taux de 10% là euh, puisse au moins aller à 20-30% pour que la pression que nos forêts sont en train de subir puisse diminuer. Parce que du coup, dès que vous utilisez un kilo de gaz vous allez contribuer à la protection des 10 kg de bois de chauffe. Pour le moment, vraiment, nous n'avons pas encore diligenté donc, euh, des études approfondies sur la durée, qu'est-ce que ça va, ça va donner. Mais au fur et à mesure que vraiment ça, ça, progresse, en fonction maintenant du taux de, de, de, consommation donc du gaz, nous, donc, nous faisons des calculs pour voir voilà ce que ça a apporté dans la protection de nos ressources forestières. Merci, colonel Garba, Mamanouri euh, de l'Association des consommateurs. Euh, que faites-vous pour que les populations changent de comportement et de bannir l'utilisation du bois en faveur de celle du gaz Je crois que euh, il y a un volet information, sensibilisation euh, que le plus souvent on fait à travers bien sûr les médias, mais aussi à travers des rencontres, des euh, de grands forums pour inciter la population à aller vers le gaz. Et j'avoue que on peut le constater hein, déjà, puisque avant le démarrage de la production du gaz ici chez nous, vous partez à Maradi, vous partez à Zander, vous partez à Agadez, souvent il y a même des tiges de mil qui sont vendues à la place du bois. C'est pour vous dire que les sources de production de bois ont commencé à tarir, mhm. pratiquement. Et chemin faisant, quand le gaz est venu, vous allez constater, allez-y dans ces régions, vous n'allez même pas voir des tiges de mil en train mhm. d'être vendues. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une substitution, il y a un changement de comportement qui est là, qui a commencé à donner ses résultats à travers l'utilisation du gaz. Parce que il faut aussi le connaître que de plus en plus, il n'y a pas que la zone urbaine, il y a aussi les zones rurales qui sont desservies. Et d'ailleurs, euh, je crois que le dernier entretien que la SORAS ils ont fait, vous allez constater maintenant qu'il n'y en a plus de rupture. En tout cas, c'est ce que nous constatons. Il n'y en a plus de rupture. Il y a même d'autres sociétés qui se sont créées, mhm. aux, trois ou quatre sociétés existantes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que probablement la capacité de production de gaz de la Soraz a été encore vue à la hausse. Et cette hausse-là va permettre non seulement l'accessibilité, mais aussi de faire en sorte que ça part réellement en zone rurale. Parce que la grande consommation du bois de chauffe, c'est en zone rurale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Comme je l'ai dit, il y en a des campagnes d'information et de sensibilisation qui se font. Donc, euh, nous faisons ce que nous pouvons faire. Euh, selon nos capacités. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui ont peur même du gaz. Mhm. Donc ça, Parce qu'ils ne sont pas assez informés. Oui, ils ne sont pas assez informés, ils ne savent pas comment utiliser. Et c'est pourquoi souvent quand il y a la vente promotionnelle, il y a des séances de démonstration, surtout en zone rurale. Mhm. Parce que le produit est maintenant disponible, faire en sorte que même en zone rurale, euh, en tout cas, le produit soit utilisé le plus grandement que possible. Il faut que ça soit accessible aussi. Je pense que le fait qu'il y ait une grande production va permettre une grande disponibilité et donc une grande accessibilité. Espérons. Donc, euh, colonel Garba du ministère de l'Environnement, que faites-vous pour sauver notre environnement, notamment les endroits qui ont subi les abattages de bois euh, merci Madame. donc, euh, par rapport à l'exploitation anarchique donc, euh, de nos ressources forestières, et vraiment depuis un certain nombre d'années, le ministère de l'Environnement a pris un certain nombre de mesures pour au moins donc, permettre une gestion rationnelle des nos ressources forestières. Parmi donc, ces activités, nous pouvons citer maintenant la mise en place de la SED, qui est la stratégie énergie domestique qui a transféré l'aménagement et l'exploitation des forêts au niveau donc euh, villageois. Parce que au début, le problème qu'on avait, c'est que la population ne voulait pas du tout s'intégrer, ne voulait pas donc euh, se donner corps et âme dans la protection et la gestion de l'environnement, parce que pour eux, c'est seulement les forestiers, c'est seulement l'État qui est en train de faire ses activités, donc euh, ils les observent. Mhm. Maintenant, et, ils ont sollicité à ce que eux-mêmes soient associés dans la gestion de leurs ressources. Donc, euh, un peu partout, nous avons vu que cette stratégie vraiment a, contribué à la gestion rationnelle et à la protection donc, euh, des ressources forestières qui sont vraiment disponibles dans les zones. Ce qui est dans tous les cas est on ne peut pas carrément empêcher à la population d'exploiter du bois parce que la population vraiment a droit à l'énergie. Mhm. Donc euh, par rapport à ça, maintenant, les zones qui sont dégradées, il y a un programme euh, de restauration des terres qui est là, qui est mis en place et avec l'appui de l'État et des partenaires pour pouvoir donc euh, maintenant renverser la tendance parce que les études ont, démontré que la dégradation des ressources forestières tourne autour de 200-213 000 hectares mhm. chaque année. Donc, au vu de ça, donc l'État a pris des mesures euh, rigoureuses pour que cette superficie-là qui est dégradée chaque année, pour que ça soit compensé en termes d'activités de, de restauration, c'est-à-dire récupération physique des ouvrages, plantation et ensemencement, pour que au moins l'endroit dégradé puisse euh, retrouver donc euh, sa situation plus ou moins initiale. Oh, en dehors de ça, donc, il y a plusieurs activités qui sont lancées, surtout, surtout la régénération naturelle assistée, qui est là, qui est vraiment une activité facilement reproductible au niveau donc euh, du paysan. Donc chaque paysan peut la faire dans son champ pour pouvoir maintenant améliorer la fertilité du sol et puis maintenant avoir les résidus de ces arbres-là qu'il a protégés pour que ça lui serve donc comme bois de feu. D'accord. Ah donc, euh, avant de clore ce sujet, je vous propose de suivre des conseils pratiques sur l'utilisation du gaz avec euh, le capitaine Gibril Mamadou, commandant du Centre d'instruction nationale sapeur pompiers qui représente la protection civile. 98% des accidents domestiques euh, sont liés au comportement de l'homme essentiellement de l'imprudence, la vétusté des installations. Par exemple, quand vous prenez une bouteille de gaz, ça a une durée de vie. donc euh, cette bouteille de gaz subit beaucoup de manipulations avant d'en arriver au lieu où elle doit être stockée pour son utilisation. Si c'est la bouteille de 12 kg 5, ça veut dire que sa manipulation un peu plus simple parce qu'elle est généralement au niveau de la cuisine. Elle est bien rangée avec un raccord qui le relie au brûleur et avec des joints ou des cyclips de serrage. Si c'est la bouteille de 2 kg, 5 ou 3 kg, c'est cette bouteille qui est un peu plus malléable, qu'on peut déplacer un peu partout, on peut l'utiliser. L'un dans l'autre, c'est juste le respect des règles minimales de sécurité qui feront que on peut circonscrire les éventuels euh, donc il faut dire aussi que c'est pas tout le monde qui a accès à un coffre où installer la bouteille de gaz. Plus souvent, c'est sous les hangars, dans la maison même, que les bouteilles sont installées. Est-ce que avec les euh, enfants, cela n'accroît pas les risques de fuite ou je sais pas quelque chose d'imprudent Même si la bouteille n'est pas dans la cuisine, normalement, euh, celui qui a la charge d'en faire son usage est censé assurer la protection du lieu dans lequel elle est stockée. Et donc, il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de fermer euh, uniquement le brûleur et de laisser la bouteille ouverte. Est-ce que cela suffit naturellement que ce n'est pas un bon comportement. Ça veut dire qu'au niveau du flexible qui relie le brûleur à la bouteille est toujours sous pression. Ça veut dire que là, il y a un danger. Le danger, c'est quoi C'est qu'à tout moment, ce flexible qui a une durée de, de, vie bien déterminée et souvent exposé aux conditions climatiques euh, va subir une certaine dégradation qui peut être à l'origine d'une fuite éventuelle. L'idéal, c'est de toujours fermer après utilisation au niveau du robinet de la bouteille. Donc, euh, en général, comment savoir euh, que le gaz est en train de fuir Bon, généralement, quand vous prenez un gaz domestique, c'est un produit chimique qui est incolore. Il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur et il n'a pas de goût. Mais lorsqu'il est répandu dans une certaine proportion, ça peut poser des conséquences. Ça va de l'incendie ou carrément de l'explosion. Maintenant, le concepteur a créé un additif qui permet de sentir ce n'est pas le gaz qu'on sent, mais c'est l'additif qui permet de sentir euh, la présence ou le fait que le gaz ne soit plus dans ses périmètres de contrôle normaux. Mhm. Donc, en ce sens, quand vous sentez le gaz, le geste le plus simple, c'est d'aérer, ouvrir les volets et portes pour permettre au gaz de s'échapper. Parce que le problème, quand il y a moins de concentration de gaz, on ne risque pas un départ de feu. Mhm. Lorsqu'il y a trop de concentration de gaz par rapport à l'air ambiant également, il n'y a aucun risque de départ de feu. Mais ce qu'on ne veut pas, lorsque il y a concentration, il faut éviter de manipuler certains organes tels que les interrupteurs électriques, le téléphone fixe, les disjoncteurs, etc., etc. Parce que toute étincelle est susceptible de provoquer un départ de feu, qu'on appelle communément un incendie. En cas d'incendie, quand le feu se déclare, comment faire et quels sont les gestes Ce n'est pas dans tous les cas qu'un départ de feu tourne à l'incendie. Pour tout début d'incendie, si c'est à la cuisine par exemple, il y a toujours euh, la serpillère ou un mouchoir imbibé d'eau. Il suffit de mouiller et puis de jeter. Donc on prend un mouchoir mouillé qu'on jette euh, sur la casserole lorsqu'il y a surchauffe d'aliments. Mais tout en ayant euh, à l'esprit de fermer le robinet de la bouteille. Parce que les brûleurs sont indépendants du robinet de la bouteille. L'ensemble est relié par un flexible. donc, quand vous agissez sur le robinet de la bouteille, ça veut dire quoi Vous allez couper la source d'alimentation. Qu'est-ce qui va se passer Le feu va s'éteindre de lui-même par manque de combustible. Tout en agissant, faites en sorte que les sapeurs-pompiers soient alertés. Ça permet aux pompiers de gagner des délais importants dans la gestion de la suite, parce que vous pouvez être amené à bien gérer l'intervention, comme ça peut échapper à votre contrôle. Donc, euh, l'essentiel, c'est de lier les deux. Pour finir, euh, est-ce que vous avez un conseil spécial à prodiguer aux utilisateurs euh, du gaz naturel les conseils ils se limitent par exemple euh, au niveau de la gestion préventive du gaz dans la cuisine. C'est toujours fermer les robinets d'arrivée de gaz naturel chaque fois que vous devez quitter la maison pour un court séjour. Ailleurs, on appelle ça quand vous partez en week-end. Chez nous, quand vous devez voyager mhm. et, et qu'il n'y a personne, il serait bien de fermer le robinet du gaz. Deuxièmement, nettoyez régulièrement les brûleurs et votre gazinière. Quand vous avez une flamme bleue au brûleur, c'est synonyme d'un bon fonctionnement du système. Troisièmement, il faut essayer de changer le flexible dont je vous ai dit. Parce que normalement, quand vous achetez un flexible normalisé, sur le flexible, c'est écrit à changer avant telle date. Donc, euh, ça vous permet de suivre la durée de vie du flexible. Il y a des petits raccords qui permettent de serrer. Donc euh, ces raccords, de temps en temps, ils peuvent lâcher. C'est de vérifier si ils sont toujours bien serrés. Mhm. Ça, c'est la prévention au niveau de la cuisine. Maintenant, le deuxième type de prévention, c'est en cas de fuite. Comment dois-je me conformer Si vous détectez une fuite de gaz, aérez immédiatement, coupez l'arrivée du gaz éviter des gestes pouvant être à l'origine d'étincelles, telles que ne pas allumer l'interrupteur, éviter d'agir sur le disjoncteur électrique mhm. ou éviter d'utiliser le téléphone fixe qui est dans le salon le plus souvent. Et le téléphone portable Oui, également. Est-ce que c'est ce que les gens utilisent euh, le plus maintenant. Le téléphone portable, euh, certains types de téléphones, euh, tout le temps, il y a les batteries qui chauffent. On ne mhm. sait pas ce que ça peut engendrer. Voilà, vous venez là de suivre des conseils pratiques du capitaine Jibril Mamadou, commandant du Centre d'instruction nationale sapeur pompiers qui représente la protection civile. Entre-temps, il y a M. Abdou Insa Issa, directeur commercial de la Société nigérienne des hydrocarbures Sonihi de Niamey, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc euh, vous nous avez pris en cours de, ce forum euh, pour ce qui vous concerne, euh, comment se fait la distribution du gaz à partir de la Souraz et le Niger à travers la Souraz arrive-t-elle à produire assez de gaz pour l'utilisation domestique Effectivement, aujourd'hui le gaz que nous consommons au Niger vient de, de la Souraz, donc la société de raffinage de Zender. Et ce gaz, il est acheminé à partir de la Soraz par des camions-citernes hein, vers nos différents centres de stockage. Parce que dans chaque chef-lieu de région, nous avons des centres remplisseurs. Et à partir de ces centres remplisseurs, les bouteilles sont remplies. Donc euh, les bouteilles, aujourd'hui, on a euh, trois catégories de bouteilles. Non, quatre catégories même. La bouteille de 3 kg, la bouteille de 6 kg, la bouteille de 12,5 kg et la bouteille de 34 kg. Et à partir de ces centres, une fois les bouteilles remplies, nous avons des, camionnettes de distribution communément appelées Dogambaro qui acheminent euh, ces bouteilles vers ces points de vente. Ces points de vente euh, qui constituent le réseau de distribution. Est-ce que la SORAS arrive à produire assez pour euh, répondre aux demandes de la population Effectivement, à date, que la consommation, on peut dire entre la consommation euh, interne, la consommation locale et l'export, euh, souvent on a tendance quand même à connaître une certaine euh, disparité parce que bon, dès que la SORAS commence l'export, souvent au niveau local, on ressent un peu ce manque de disponibilité. Je pense que on peut aller au-delà de ce qui est produit aujourd'hui parce que la consommation a été multipliée par 10 hein, depuis l'avènement de la SORAS mais euh, on arrive quand même à satisfaire euh, plus ou moins euh, la demande locale. Comment expliquez-vous le fait qu'il y ait pénurie de gaz à certains moments Bon, plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte parce que d'abord il y a une insuffisance de capacité de stockage, en tout cas au Niger, sur le territoire national, parce que en dehors des opérateurs privés, notre principal fournisseur qui est la SUNDEP ne dispose pas d'infrastructures de, stockage pour le gaz. Je dis bien pour le gaz. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Donc, dès qu'il y a euh, un problème au niveau euh, de la raffinerie, soit une panne technique, ou bien quand la raffinerie doit aller en maintenance, hein, donc le problème se reproduit par manque de capacité. Donc, c'est les camions qui jouent souvent d'unités de stockage. Et vu que la demande elle est très très forte actuellement, donc euh, voilà, on n'arrive pas à, stocker le gaz parce que tout ce qui rentre euh, ressort en même temps. Contrairement aux hydrocarbures qui, euh, qui sont l'essence et le gasoil, vous avez constaté, on n'a pas de souci par rapport à ces produits. Mais le gaz, tant qu'on n'aura pas investi suffisamment dans de grandes capacités de stockage, le problème sera toujours récurrent. Eh, d'accord. Et surtout, euh, on constate euh, qu'il y a des bouteilles euh, de gaz qui sont vieillissantes, qui provoquent souvent des incendies. Que faites-vous dans ce sens pour renouveler ces bouteilles Alors, vous savez, le secteur du gaz, c'est un secteur dans lequel on est en investissement permanent. Permanent parce que aujourd'hui, sans bouteilles de gaz, on ne peut pas vendre le gaz. Alors, Ici, c'est aussi l'occasion pour euh, vraiment saluer le ministère du Commerce qui, à travers un arrêté qui est sorti euh, la semaine dernière, euh, aujourd'hui, la commercialisation des bouteilles de gaz se fera désormais par opérateur. Quand je dis par opérateur, de quoi s'agit-il Chaque opérateur, maintenant, est responsable de sa marque et de sa bouteille. Parce que, auparavant, on assistait une distribution du gaz euh, dans n'importe quel type de bouteille. Des bouteilles qui viennent de l'extérieur, des bouteilles qui n'appartiennent pas aux opérateurs locaux. Mhm. Donc, ça crée souvent des problèmes parce que les bouteilles sont vieillissantes. Euh, moi, aujourd'hui, en tant que Sony, je n'ose pas, si cette euh, bouteille qui ne m'appartient pas, je n'ose pas la toucher parce que, bon, elle ne m'appartient pas. Si elle est défaillante, si c'est le robinet qui fuit, bon, vous voyez, ça peut poser des problèmes. Donc voilà pourquoi cet arrêté est à saluer, parce qu'aujourd'hui, maintenant, chacun est responsable. Donc je pense que à partir de cet instant, chaque opérateur aura une lourde responsabilité et vraiment c'est à l'avantage des consommateurs. Est-ce que, par exemple, les bouteilles Sony, est-ce qu'il n'y a pas de contrefaçon Parce que dans la ville, on voit souvent des commerçants qui vendent les bouteilles au bord euh, des routes, euh, etc. Ce sont vos bouteilles ou autres bouteilles Non, ça, je peux certifier que ce sont des bouteilles qui appartiennent à Sony. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas la technologie pour euh, fabriquer des bouteilles, ni au niveau de la contrefaçon. Ça, ça est très difficile. Donc, je pense que les bouteilles que vous voyez euh, sont estampillés Sony depuis chez le fournisseur. Et ça, je peux certifier que c'est des bouteilles qui appartiennent à la Sony. D'accord. Et pour que les populations puissent euh, accéder euh, aux kits de gaz, est-ce qu'il y a des promotions ou autres efforts qui sont fournis pour qu'ils puissent avoir accès à ces kits Effectivement, on a quand même eu, enfin, en tout cas avec l'appui du ministère du pétrole, on a eu quand même à faire euh, des campagnes promotionnelles sur l'ensemble du territoire. Nous avons fait à Tilaberi, à Niamey, nous avons fait à Maradi, euh, donc un peu partout au Niger. Donc, euh, et ça continue. Est-ce que vous avez un quelconque mot à dire à la population par rapport à l'utilisation du gaz et surtout le prix qui hausse de temps à autre L'appel que j'ai à donner euh, aux consommateurs, vraiment, euh, la spéculation qui se fait au niveau des prix euh, n'est pas normale. C'est les revendeurs qui s'adonnent à cette spéculation, parce qu'il y a un arrêté, il y a une structure des prix établie par le ministère du Commerce, qui est une structure mensuelle qui détermine bien les prix de la recharge au niveau consommateur. Donc pour la 6 euh, kg, le prix de la recharge est de 1800 et pour la 12 kg, elle est de 3750. Mais malheureusement, nous constatons depuis un certain temps euh, que la recharge varie aujourd'hui entre 2000 et 2500 et de 3750 à 4500, voire 5000, ce qui n'est pas normal. Bon, nous, euh, au niveau de la Sony, on a quand même eu à prendre des mesures. Euh, qui vont jusqu'à euh, la suspension du distributeur. Nous avons aussi alerté les autorités compétentes pour ça. Mais en tout cas, je dis que ce n'est pas normal cette spéculation. Et j'invite encore les consommateurs à ne pas euh, accepter cette spéculation. Donc, euh, en gros, ce qu'on peut retenir euh, de ce forum, c'est que l'utilisation du gaz domestique est nettement avantageuse par rapport euh, à celle du bois, non seulement en termes de coût, et aussi en termes de protection de l'environnement. Selon le représentant du ministère de l'Environnement ici présent, colonel Garba, en 2016, environ 23 000 tonnes de gaz ont été consommées. Et euh, cependant, des efforts sont en train d'être menés pour restaurer les espaces impactés par le déboisement. Donc euh, c'est ici que me fin ce forum dont la thématique portée sur l'utilisation du gaz domestique, règles de sécurité et enjeux pour l'environnement. Nous étions avec euh, M. Insa Abdou Issa, directeur commercial de la Société nigérienne des hydrocarbures Sonihi hidonyame Mohamed Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, le colonel Garba Adamou, chef de division aménagement forestier à la direction de gestion durable des terres, et le capitaine Jibril Mahamadou, commandant du centre d'instruction nationale sapeur-pompier qui représente la protection civile, nous l'avons eu en interview. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.